alaikum wa Sénégal Je suis le capitaine Touré bu nekkoon officier adjoint section de recherche la gendarmerie de Kolobane et ce matin gis ngeen ne dama posté benn message sur sur mon Facebook di wax que dama démissionné parce que j'étais suivi par des personnes dont j'ignorais la vraie intention effectivement c'est vrai à l'heure où je vous parle je suis à Touba et je me sens en sécurité et dans mes déclarations également je demandais la démission du ministre de l'Intérieur, du ministre de la Justice et du procureur de la République. Et je réitère ces propos. Quand j'aurai l'occasion de parler aux Sénégalais, je les parlerai en toute sécurité. Toutefois, je voudrais appeler les Sénégalais à éviter de détruire les biens publics, éviter de saccager les stations d'essence, éviter de... de, de, de, de bàyyi di di ñun da d'essence di yak ay ay loolu ñun ñoko ko bo len ko yaké Macky Sall dem bay ñu fi ñun ñoy sonnaat encore défarat ko kon ma ngi ñaan wa Sénégal ñu dal ngeen bay li ngeen def surtout yak bi bay len ko té manifestation yi bay len ko lundi mardi mercredi jeudi vendredi pour ken manifester attendez le vendredi plutôt à 15 heures man dina joggé Touba ñëw ba Dakar manifester avec vous je vais demander au, au commandant de la gendarmerie de m'envoyer une escorte ici à Touba Madam.